forum distudio kalangu le forum distudio kalangu le forum distudio kalangu le forum distudio kalangu le forum distudio kalangu le forum distudio kalangu le forum distudio kalangu le forum distudio kalangu Il est 18h15 Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers les réseaux des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaouré, Chirozérine, Mangaria, Kabalewa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Le forum du vendredi, c'est du décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale. Nos invités aujourd'hui, Omar Kane, directeur de publication du journal Le Hérisson. Bonsoir Omar. Bonsoir. Merci d'être venu. Et Murtala Mohamadou, journaliste au journal La Griffe. Bonsoir Murtala. Bonsoir. Merci d'être venu et nous attendons d'une minute à l'autre Jafar Mohamadou, directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant. Alors cette semaine, l'actualité est dominée par la célébration mardi par la communauté musulmane de l'Aïd al-Fitr, la fête de Ramadan qui marque la fin du mois de jeûne. Les Nigériens ont bien sûr fêté dans une ambiance bon enfant, malgré quelques difficultés, malgré les difficultés financières. On aura un peu d'ambiance et un peu de commentaires. Puis nous allons aborder l'affaire dite de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou. La commission financière de l'Assemblée nationale l'aurait mise en cause dans un détournement de fonds publics. Il aurait assuré, il aurait assuré aux frais de l'État la réfection de ses résidences officielles et privées. La Halcia serait déjà saisie. Nous parlerons aussi de ce phénomène de court-circuit qui cause beaucoup de dégâts. Le court-circuit, c'est ce qui, a, qui est à l'origine de l'incendie qui a ravagé le domicile du commandant régional de la garde nationale, le chef d'escadron Ibrahim Al-Hadi, hier à Tilabiri. Il y a eu 12 morts, dont le commandant lui-même. Studio Kalangu, donc euh, il est 18h17 minutes. Euh, donc euh, à l'instant, notre troisième invité, Jafar Mahmoud, qui vient de faire son entrée. Bonsoir Jafar. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. La communauté musulmane du Niger célèbre a célébré mardi dernier la fête de Ramadan, qui marque la fin du mois de jeûne un mois de prière, de pardon et d'aumône. Le jour de la fête euh, circulaire à Niamey était synonyme de problème pour celles et ceux qui n'avaient pas de moyens de déplacement. Les taxis étaient rares et les frais élevés pour ceux qui en trouvent. Notre reporter Lawal Naourat Ibrahim Gadou a tendu son micro à ses habitants qui nous racontent leur calvaire. Je suis là depuis le matin, j'arrive pas à avoir un taxi. Je suis là avec mes camarades, eux aussi, elles sont là-bas, elles n'arrivent pas à trouver. Ça fait combien d'heures Plus, d'une heure de temps, on est ici, on n'arrive pas à avoir un taxi. Vous voulez partir où En ville. En ville pour rendre visite à nos parents. Je cherche un taxi depuis ce matin. Je n'ai pas trouvé. Je suis avec mes amis qui sont là-bas, avec ma petite fille Zainab, la voilà à côté de moi. Où est-ce que vous voulez aller En ville. Pourquoi Pour faire bonne fête. Fête à, tous, à mes amis, à mes parents et autres. Je suis là depuis 11 heures et je cherchais un taxi pour, le, pour la bonne fête quoi. Mais malheureusement, pour avoir un taxi, c'est difficile. À l'heure où je suis là, vraiment, je devrais me rendre chez les parents. Bon, vous savez, quand il y aura une fête, il faut toujours euh, souhaiter aux gens des bonnes fêtes. Mais malheureusement, ça ne va pas. Ici, ça va pas. Pour avoir un taxi, c'est un problème. Donc, euh, je comprends pas, je comprends pas. Car la vie ici à Niamey, c'est compliqué. Voilà, la vie ici à Niamey, c'est compliqué. Quelques habitants le jour de la fête euh, sur la circulation à Niamey. Nous revenons donc au studio avec nos invités. Je vais commencer par Jafar qui vient d'arriver. Bonsoir. Bonsoir. Bonne fête. Merci à vous aussi. Donc, euh, vous avez suivi nos euh, ces, auditeurs, enfin, ces, habitants de Niamey sur la fête. Vous-même, vous avez fêté dans une ambiance, disons, morose financièrement. C'est cela, non ah Oui, c'est tout à fait particulier. je pense que euh, la fête, comme d'ailleurs l'a témoigné beaucoup de, citoyens nigériens, et même avant la fête, pendant le ramadan, vous avez suivi des citoyens qui appréciaient de façon euh, très mitigée la, situation financière. Et je pense que c'est général, c'est de façon générale euh, on peut dire qu'en en dehors de quelques citoyens nigériens peut-être qui ont, qui ont la politique de leurs moyens, quand même la majorité des Nigériens ont fêté euh, selon les moyens de bord, comme on dit. C'était difficile. C'était difficile. Euh, bon, maintenant, euh, parlant de la situation en dehors de cette morosité, vous savez que euh, euh, la situation de la, gestion de la circulation à Niamey est, tout à fait particulière. Depuis euh, pratiquement quelques années, on constate que Niamey manque d'organisation quand il s'agit de la gestion de la circulation routière. on constate un désordre au, plan des usagers de, la circulation. Et surtout, euh, c'est vrai, on peut dire que euh, le parc auto-nigérien ou niamien a évolué depuis un certain moment, mais euh, je pense que c'est pas dû à l'évolution, mais c'est dû à un comportement. Et c'est ce, ce, ce comportement-là qu'il faut regretter, peut-être qu'il faut corriger. Merci, Jafarou. Omar oui, merci. Comment vous avez fêté Merci Hamado. Bon, avant peut-être euh, d'en arriver là, je m'en vais quand même rectifier quelque chose. Je ne suis pas directeur de publication du journal Le okay, Il ne faut pas que je fasse usurpation des titres. Je suis conseiller à la rédaction. Conseiller à la rédaction. Oui, membre de l'équipe rédactionnelle. Donc, par rapport à la fête, euh, c'est vrai ce que vous avez dit. Il y a, vraiment, il y a la économique, donc euh, des difficultés financières. Mais malgré tout, moi, j'ai fait quand même un constat j'ai l'impression que de plus en plus, quand même, les Nigériens arrivent à faire euh, le mois de Ramadan, le jeûne, donc dans la simplicité. Il y a plus, de plus en plus de simplicité qui arrivent chez les Nigériens. Peut-être c'est dû aux des difficultés financières, certainement. Mais comment cette simplicité se caractérise Cette simplicité, c'est-à-dire on, fait le ramadan le plus simplement possible, pas au, comme auparavant avec beaucoup de dépenses ostentatoires. Donc cela est dû au fait certainement parce que eh, à cause de ces difficultés financières, les gens sont obligés de se serrer les ceintures. De plus en plus, ces, difficultés financières font en sorte qu'il y a une espèce de prise de conscience quand même par rapport aux dépenses. Hum. Donc, pour ce qui est du transport, vous avez, euh, c'est un constat, hein, pendant toutes les fêtes pratiquement, il y a problème d'embouteillage, problème de taxi, celle qui est euh, euh, oui, celle qui a, qui qui, a été relevée tout de suite. Mais, c'est-à-dire, euh, j'ai dit, le problème est là pendant toutes les fêtes, tout simplement parce que même les taximans fêtent. Donc il y a beaucoup qui ne travaillent pas pendant les jours de la fête. C'est pourquoi le taxi est difficile. Donc d'où même la nécessité, je crois, de réfléchir et de trouver un mécanisme vraiment de transport urbain adéquat. Parce que c'est un comme La SNTN oui, comme la SNTN de l'État. Et le constat est même un peu général, un peu partout dans nos villes africaines. Ça manque Tandis que quand vous partez un peu en Europe, vous allez trouver qu'il y a toujours ces bus-là qui font... Cette fluidité oui, mais, chez nous, euh, il y, a, vraiment un problème euh, de transport. Et le taxi, c'est vrai, il ne coûte pas cher au Niger. Il est, de 200 francs comparativement à beaucoup des pays de la sous-région ou des capitales des pays de la sous-région. Donc, mais en fait, même les 200 francs, n'est pas à la portée de n'importe quelle bourse. Merci, Omar. <laughs> Merci. Euh, Bonne fête à vous. Merci, bonne fête à vous également. Je profite euh, pour aussi également souhaiter euh, bonne fête à tous les auditeurs de, de, des programmes du studio Kalango. Alors euh, moi, par rapport à la fête, vous allez me permettre de ne pas revenir sur la l'amorosité économique et tout ce qui s'ensuit. Alors, je vais plutôt intervenir sur la question des transports qui a été soulevée soulevé et dont euh, le doyen Omar vient d'évoquer avec euh, beaucoup de, de, tact, disons. Alors, la question de, des transports euh, en Amérique, enfin, sur la fête, on l'a relevé mais elle existe, elle existe bien avant la fête. Elle existe bien avant la fête, il suffit de mot d'ordre de, de, de, grève de la part du syndicat des taxis, et puis bon, voilà, toute la ville est carrément bloquée. Alors, euh, il fallait s'interroger sur l'utilité ou même euh, la nécessité de réactiver une société de transport urbain qui était là, bien bien avant, euh, qui malheureusement est tombé en décadence. Je ne sais pas pourquoi. La Sotrini, la qui dans le temps faisait quand même euh, assurer le circuit, la fluidité, de, la possibilité de se déplacer euh, d'un bout à l'autre de la ville et d'ailleurs à moindre frais. Alors pourquoi on ne réfléchit pas à la possibilité de, de, de, pouvoir doter la Sotrini de moyens nécessaires pour qu'elle assure cette fluidité Les taxis sont gérés pour la plupart par des particuliers qui particulier, le jour de la fête, comme tout le monde. Alors, s'ils ne sont pas astreints à une obligation de venir travailler, alors ils vont rester chez eux ils restent chez eux et du coup, voilà, ceux qui veulent se déplacer. Il y a le transport et puis euh, quand même la charité des produits de première nécessité. La charité des produits de première nécessité, ça, euh, une envolée des prix, euh, on est, on est disons familier de ça à chaque période de Ramadan et aussi à l'approche de toutes les fêtes. ça, c'est pas C'est pas étonnant. Un mot sur euh, la région de Difa pour parler de l'insécurité avec euh, les chefs, des chefs, chefs d'état-major des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad qui s'était réuni hier en réunion dans la ville. La réunion s'inscrit dans le cadre des opérations de la force multinationale mixte contre Boko Haram. La mission a été conduite par le commandant de la force, le général de division nigérien Lo Adeonsun. La rencontre s'était tenue à huis clos et aucune information n'a filtré et, que les partisans, les participants s'étant refusés à tout commentaire. Mais tout de même, euh, Jafarou, euh, euh, <coughs> nous pouvons euh, quand même dire quelques mots sur cette réunion. je, je, pense peut-être que ça conforte l'idée que la force multi national mixte est, désormais vraiment opérationnel à DIFA. Euh, et dans toute la, oui, bande. Oui, la bande du bassin de, de je pense que c'est un signal fort, euh, ne serait-ce que du choix de la localité pour tenir cette réunion des chefs d'état-major, quand on sait que DIFA est de plus en plus sous la menace des, des activistes de Boko Haram. Cela veut dire qu'il euh, il y a une volonté d'aller de l'avant, de, de, de N'Djamena on pousse jusqu'à jusqu'au jusqu'au euh, jusqu'à Difa pour euh, euh, pour s'entretenir et certainement pour mettre en place mettre en place une stratégie plus pragmatique peut-être de lutte contre la nouvelle version des assauts de Boko Haram. Je pense que ça démontre la volonté de ces euh, de cette force-là à aller de l'avant. Et c'est ce que nous, nous avons, j'ai l'habitude personnellement dans mes écrits et dans mes débats de, dire que euh, cette volonté d'attendre euh, les Nations Unies et les partenaires occidentaux pour aller combattre Boko Haram doit, doit, doit cesser et pour que ces pays prennent en charge cette question-là. Depuis la, mise en place de cette force, euh, au niveau de la CDAO et au niveau de l'Union africaine, si on avait cette option d'aller sur le terrain, de prendre en charge la question, qu'on demande aux pays concernés de faire un maximum. mais la, la, force existait depuis. Hein? La force existait, mais elle n'est pas opérationnelle, puisque tout simplement on attendait d'une part de, partenaires européens euh, un, appui financier, de moyens d'élite. De l'autre côté, on attend de l'ONU une résolution permettant à cette force d'être euh, mondialement euh, investie d'une mission. Alors que c'est ça qui nous a retardés. Et on sait que la lutte contre, euh, contre le terrorisme, même si elle est planétaire aujourd'hui, même si elle est la préoccupation de tous les pays, on sait que la lutte contre Boko Haram n'intéresse pas les Occidentaux comme si c'est la guerre en Syrie comme si c'est la guerre contre Daesh dans, dans le Kurdistan irakien, dans le euh, Kurdistan. Ça veut dire que depuis cet temps-là, on aurait dû gagner en économie et on aurait dû gagner en, en, on aurait dû gagner en, épargnant les vies si on avait très rapidement euh, opté pour que les forces africaines investissent le, le champ de terroristes de Boko Haram, on allait épargner beaucoup de vies des soldats de, la sous-région. Omar, c'est votre avis aussi Oui, en fait, moi, je reviens par rapport au choix de DIFA par rapport au choix de DIFA pour abriter cette réunion, j'ai me dit que c'est un peu pour apporter aussi de la compassion, euh, pour exprimer sa solidarité à l'endroit du Niger qui a été euh, récemment ah, oui, oui, de Boko Haram. J'ai me dit aussi, euh, c'est un peu aussi peut-être pour aider aussi à booster le moral des forces armées nationales donc du Niger. Euh, en particulier. Oui, en particulier. Je me dis que c'est vraiment important que c'est vraiment important que et stratégique pour que cette réunion se soit tenue à Difa. Hmm. Donc euh, maintenant, par rapport à cette force mixte, vraiment, je vois une synergie dans la lutte. Euh, donc vraiment, sans doute que c'est pour essayer de se partager un certain nombre d'informations hein, pour avoir une espèce de synergie de l'action dans la lutte contre Boko Haram. Donc les difficultés dont parlait euh, euh ont été surmontées entre chefs d'État, enfin, entre oui, régions, entre pays Oui, certainement. C'est-à-dire il fallait, moi je me dis que cette synergie d'action, parce qu'il ne faut pas toujours rester là à attendre. Je me dis que cette force mixte, euh, euh, force mixte africaine, c'est quand même une première, c'est un bel exemple. Donc, euh, on n'a pas à attendre l'ONU, il faut prendre les choses parce que l'ennemi est là à côté. Donc, mm. il faut prendre vraiment la mesure des choses parce que ce qui se passe dans toute la zone, c'est vraiment une catastrophe. Donc, il fallait prendre la mesure de la chose. Moutala, est-ce que la mesure de la chose est, prise en compte maintenant avec... Euh, euh, cette intervention à DIFA avec les forces tchadiennes et puis la réunion de ces chefs d'état-major Bien, euh, les, forces tchadiennes sont dans la, zone. Euh, on remarque, on constate qu'il y a cette volonté de, la part des Tchadiens, de, des autorités tchadiennes, de pouvoir mettre en place au plus vite cette force afin qu'elle soit opérationnelle, cette force qui est accouchée sur papier depuis plus d'un an maintenant et qui tarde encore à voir à prendre forme sur le terrain. Euh, moi, euh, je reviens surtout sur le silence qui a entouré cette euh, réunion des chefs d'État. Euh, je me dis, on est toujours dans cette conception des choses qu'il faut se renfermer sur soi, ne pas communiquer, mais les, que nos, nos, chefs d'état-major et nos stratèges militaires se disent que beaucoup des guerres se gagnent plutôt par la, communication. la, communication. Alors, on parle du signal fort quand ils se réunissent à DIFA. Ben, je me dis si aujourd'hui, si le commun de mortel, le commun et si aujourd'hui on allait euh, euh, à la rencontre de ces populations qui vivent sous cette peur, euh, qui ont tout le temps cette peur au ventre d'être victimes des attaques de, de, de, la secte de Boko Haram, on leur parle des signaux, ils vous diront certainement qu'ils ont vu trop de signaux, qu'ils ont besoin de l'action. cette action, elle n'est pas près de venir parce que le silence, le silence moi, je suis d'avis que ce silence euh, traduit plutôt euh, un, désaccord, une mésentente entre les différents acteurs, puisque jusque-là, ils n'arrivent pas à, à planir les divergences. Alors, comment faire un communiqué aucune partie ne peut sortir parce que dès que vous allez faire une sortie médiatique, c'est au risque d'offusquer l'autre partie sur laquelle, avec laquelle vous êtes en divergence et de remettre en cause. Quels peuvent être ces désaccords euh, Alors, euh, c'est on déjà que la force ne, fonctionne pas, ça a été La force ne fonctionne pas. Moi, je suis plus, euh, je me penche plus sur la question de, de, cette fierté de la souveraineté. De certains États voudraient à tout prix vouloir garder leur souveraineté. Je ne citerai pas de nom, mais je vois, je, plus, je penche plus que pour cette, euh, cette, problématique de souveraineté, de fierté de certains États, à ne pas vouloir euh, euh, laisser les militaires étrangers, entre guillemets, parce qu'on est toujours la même communauté, débarquer sur leur territoire et faire le combat pour, pour la libération de leur territoire. Alors, je me dis, si on est toujours dans cette logique, alors on a encore du chemin à faire. faire. Alors, fort si ce dispositif est vraiment fonctionnel, peut-on rapidement s'attendre à la fin de Boko Haram euh, Parce que les forces sont là, elles sont opérationnelles. Boko Haram, je dis non. Mais affaiblir Boko Haram, oui. qu'il faut comprendre que Boko Haram n'est pas une, armée organisée qui affronte une autre, euh, une autre armée en, face d'elle. Mais euh, c'est des réactions, c'est un combat plus ou moins à plusieurs variables, comme on mm. dit. Mais ce qu'il faut peut-être dire ici, c'est que il y a plus, il y a cette volonté euh, euh, militairement de contrôler la région, puisque la, première difficulté qu'avaient les forces mixtes, euh, c'était de contrôler la, zone tampon de, Boko Haram. Comme vous, le, le, nord Nigeria, un peu la frontière du Niger, la frontière du, Cameroun, et sur le bassin, sur le lac, la frontière tchadienne, puisque le, Tchad, à ses que de chasse, n'a pas une frontière terrestre avec euh, dans le couloir avec le Nigeria, c'est par le lac qu'ils partagent une frontière. Et, à ce niveau, je pense que la mutualisation de cette force-là peut bel et bien euh, contrôler, reprendre la zone. Mais il faut reconnaître que la plus grande difficulté de, de, ce combat-là, c'est le fait que l'armée nigérienne n'arrive pas à investir le nord nigérien. À un certain moment, on s'est confronté à, une difficulté. C'était le refus même de, du président Goudelok à l'époque d'engager véritablement la guerre. Aujourd'hui, euh, l'actuel président Buhari a engagé la guerre. Euh, il a, je pense qu'ils ont appelé, aplani toutes les, toutes les, les stratégies, toutes les difficultés. Mais la difficulté qu'il y a, c'est que quand nos armées se retirent du nord Nigeria, quand nos armées ne vont pas jusque sur le territoire nigérien, c'est que c'est un espace vide euh, et ça permet à, aux combattants, aux éléments de Boko Haram de se reconstituer. Et aujourd'hui, la difficulté qu'il y a, vous avez vu après l'attaque de Bosso, c'est la, réaction plus ou moins euh, spontanée de l'armée nigérienne ou des dirigeants nigériens et tchadiens, c'était de reprendre le nord Nigeria jusqu'à un certain nombre de localités pour ne pas permettre aux éléments de Boko Haram de, de, de faire des incursions sur nos territoires. Ça veut dire que la difficulté aujourd'hui, c'est de, de, de, euh, de, créer les conditions pour que l'armée nigérienne reprenne une partie du nord Nigeria et maintenant la force mixte contrôle le, le, le, bassin du lac Tchad. D'accord. Omar Kani du journal Le Hérisson. C'est votre avis en, quelques secondes Je pense hein. que peut-être c'est que peut-être euh, Jafar a aussi mis des c'est que la difficulté de combattre Boko Haram, de dire tout de suite qu'avec cette force mixte, c'est-à-dire on va arriver à enrayer, mm-hmm. ça demande du temps parce que Boko Haram, c'est-à-dire c'est vraiment une nébuleuse à plusieurs visages. Donc tout de suite, tu ne peux pas dire que voilà les éléments parce que c'est parfois des éléments des cellules dormantes qui ont intégré un peu les mm-hmm. populations, qui, qui, qui intègrent les populations locales. Donc, parce que Boko Haram a recruté beaucoup parmi les populations. Ah. Donc, c'est ça la difficulté. Merci pour ce commentaire sur l'insécurité dans la région de Difa. Nos invités dans ce studio, euh, Murtala Mamadou du journal La Griffe, Omar Kane du journal Hérisson et Jafar Mamadou du journal L'Indépendant. Sachez que la haute autorité chargée de la lutte contre la corruption a été saisie par la commission financière de l'Assemblée nationale du cas de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Salifou. Celui-ci serait mis en cause dans un détournement des fonds publics. Il aurait assuré aux frais de l'État la réfection de ses résidences officielles et privées. De son côté, l'association nigérienne de lutte contre la corruption, section Transparency International Niger, confirme avoir été informée de l'affaire. Je vous propose de suivre le secrétaire général de l'ANLC, Maman Wada, au micro de notre reporter Adam Dawati. Il s'agit de deux sous-affaires. La réflexion de la résidence du président de l'Assemblée nationale, la résidence officielle, qui a été réhabilitée à un montant de 700 millions, et la réfection de la résidence privée du président de l'Assemblée à 38 millions. L'élément déclencheur, c'est que le président n'a pas habité la résidence euh, officielle. Il est resté dans sa propre résidence et la source rapportait que le président percevait des indemnités de logement. Voilà l'affaire. Et quand nous l'avons apprise, évidemment, notre réaction, c'est de demander à ce que la justice euh, se prononce là-dessus. Non, on n'a pas mené des investigations pour connaître le montant des... Il s'agit quand même des... des quelque part des frais de location euh, qui puissent permettre au président de l'Assemblée d'avoir une résidence correcte. En tout cas, c'est pas moins de 50 000. Euh, nous n'avons pas de doute quant à la capacité du président de la République à poursuivre efficacement et conformément aux lois de la République l'opération que vous avez appelée Boulala. Nous, avons demandé à ce que l'investigation soit davantage approfondie et que tous ceux qui sont impliqués, quel que soit leur rang, je dis bien quel que soit leur rang, doivent être poursuivis devant les tribunaux conformément à la loi. Parce qu'aucun citoyen n'est au-dessus de la loi le secrétaire général de l'ANLC, Mamman Wada, sur l'affaire dite de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Nous allons commencer par Murtala. Et vous avez suivi certainement cette affaire. Qu'est-ce que vous en dites Alors, euh, d'abord, permettez-moi de, d'abord, je, je, je, le dis sans machin. C'est une affaire euh, euh, dès son entame, dès que j'ai oui, j'ai eu vent de cela, qui m'a fait rire et rigoler beaucoup parce que je me dis, on a cette fâcheuse tendance euh, dans nos États euh, de, à vouloir euh, gagner au dos de, du, contribuable à tout prix, que on peut s'imaginer des scénarios parfois rocambolesques parce que là, véritablement, je sais pas, jusque-là, ce n'est pas euh, avéré parce qu'il y a la présomption d'innocence jusque-là. Alors, si cette affaire venait à être avérée et que les contours sont tels qu'ils sont, tels qu'ils euh, sont en train de, de, circuler dans la rue et sur les ondes des médias, euh, je me dis que peut-être le monsieur qui a, qui a engagé cette initiative, qui a pris cette initiative, ne s'est pas tout à fait entouré des, des bons collaborateurs qui vont le dire parce que tôt ou tard, c'était quelque chose qui allait sortir. Alors, de là, je, ça me renvoie euh, à il y a eu une affaire similaire, je crois, en Afrique du Sud avec le président Zuma et tout ça. Alors, pourquoi ne pas prendre euh, exemple sur euh, les poursuites qui sont engagé contre un président de la République ailleurs et, pour, s'éviter les, mêmes euh, euh, les mêmes les mêmes euh, difficultés ou inconvenus. on parle de réfection de maison, réfection de résidence avec une facture qui s'élève à plus de 700 millions. Alors, la Alcia aurait pris l'affaire à main. Y aura-t-il une suite ah, La Alcia, selon les textes qui la fondent, quand elle prend une affaire en main, euh, qu'elle établit, elle fait ses investigations, elle établit un dossier, elle a son rapport et le transmet au président de la République quitte à lui de vouloir voir s'il peut, s'il va engager la procédure, euh, saisir euh, par le biais du, ministère de la Justice le procureur de la République qui va euh, euh, engager une poursuite contre l'intéressé ou pas. je je sais pas. on parle de, coup de franche, on parle du président de la République qui voudrait une opération Boulala, tout ça. On va y revenir peut-être. Mais n'oublions toujours pas que le président de la République, il a beau avoir les meilleures intentions de ce monde, parfois la le rattrape. D'accord, on va revenir peut-être sur cette réalité. Euh, Omar Kané du journal Le Hérisson, vous êtes au courant de cette affaire. Euh, comment, quelle est votre analyse oui, bon, C'est un dossier que nous suivons attentivement. Comme l'a dit le secteur général de l'ANLC, on est dans la phase d'investigation pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a Anguille-Sourache, donc, même si vous n'avez pas toutes les preuves. Même si on n'a pas toutes les preuves, parce que ce qui, ce qui est sûr, c'est que parce qu'on parle de réflexions Ce qui veut dire que peut-être il y a surfacturation ou bien quelque chose de ce genre. Donc, dans tous les cas, les investigations vont nous le permettre euh, d'en savoir plus. Moi, je me réjouis d'une chose, c'est qu'en fait, c'est la presse qui est en train de faire son travail. Parce que c'est par voie de presse toujours que ces choses-là sont dénoncées. Je me dis que quoi qu'on dise sur la presse nigérienne, quand même, véritablement, elle aide. Elle aide beaucoup par rapport à l'assainissement. Donc maintenant, oui, oui, maintenant l'enquête, la Halcia va se saisir de ce dossier. C'est est si euh, il y a beaucoup de gens qui se disent que euh, peut-être ça n'ira pas loin, ça va connaître le même sort que beaucoup d'autres dossiers ou quelque chose de ce genre. Mais c'est que il faut qu'au niveau de la presse et au niveau des organisations de la société civile, que les gens soient tenus. C'est-à-dire, quand il y a un morceau comme ça, il ne faut jamais le les lâcher avant de voir Réagir un peu comme euh, quand Comme l'a dit il y a toujours cette présomption d'innocence qui est là, parce que euh, il y a aussi peut-être un amalgame qu'il ne faut pas commettre à notre niveau, c'est que le journaliste n'est pas juge. Donc lui, il se permet tout simplement de, dénoncer, mais il ne juge pas parce qu'on dit que même si tu as des éléments de preuve, tant que la personne n'a pas été jugée, il juge toujours de la présomption d'innocence. Donc dans nos analyses, il faut toujours que nous en tenions compte. Absolument. Merci. du journal L'Indépendant. Euh, vous avez euh, assez d'éléments sur cette affaire du président de l'Assemblée nationale, ah de l'ex-président de l'Assemblée nationale. ça reste toujours dans la limite de ce qui est officiellement dit. Mais euh, je pense que quand on fouille, peut-être que ça sera les détonateurs, puisque euh, autour de ces institutions, il y a eu une gestion et une nouvelle euh, gouvernance avec d'autres personnes à la tête de ces institutions. Ça va peut-être permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là où peut-être le problème que nous avons dans nos pays, c'est qu'après une gestion, euh, quand de nouvelles autorités s'installent, il n'y a pas un temps pour permettre aux auditeurs et aux judiciaires de, savoir qu'est-ce qui a été fait. On a banalisé les, la formule de passation des services qui, est cérémoniale aujourd'hui, alors que ça aurait dû permettre de voir clair. Mais l'un de l'autre dans cette gestion, je pense que si on parle de réflexion, euh, c'est parce que le constat a été fait quelque part, il y a une maison appartenant au président, ou à l'ancien président de l'Assemblée, qui a été refaite et dont on soupçonne la gestion. Ça veut dire que il faut être regardant. Euh, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on souhaite que la Halcia et les juridictions compétentes fassent leur travail. Et surtout, pour euh, un peu aller au-delà de, ce que disait Moutala sur la, la j'ai cru euh, comprendre et entendre que euh, ça a évolué au niveau du lien qui existe entre la Alcia et le président de la République. Je pense que cette fois-ci, quand euh, la Alcia boucle un dossier, elle a la latitude directement de le transmettre aux juridictions. Ça veut dire que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est, on est en train d'évoluer. Maintenant, le regard, la pression doit être du côté de la Alcia. Pour que, <clears throat> -ce pardon, excusez-moi, cela pose peut-être euh, la question de l'opération Boulala euh, engagée par le président de la République. Vous savez, ça rentre dans ce cadre. Est-ce que ça démontre qu'il y a effectivement une volonté de d'assainir les finances publiques et de euh, combattre la corruption Vous savez, Amadou, moi je suis de nature à, ne pas trop croire aux engagements politiques de ce genre, puisqu'il y a beaucoup de précédents dans ce pays. On a connu beaucoup de commissions. On a vu comment ça s'est terminé. Moi, j'ai plus confiance à nos juridictions. lorsque ces affaires éclatent, nous avons des juridictions qui sont bel et bien. la justice, euh, très lente. Hein. La justice est, très lente mais c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Je pense que quand le texte, il n'y a pas de, véritablement de, volonté politique de part de tous les acteurs politiques s'agissant de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Et c'est ce qui fait que toute décision, tout engagement au sommet, au niveau politique, a des difficultés à, donner des résultats parce que tous les mêmes acteurs, ils se retrouvent quelque part ils sont liés quelque part dans, dans ces travers-là et ils ne souhaiteront jamais que quelqu'un facilement tombe. en un mot, vous, vous n'êtes pas convaincu en, un mot, aussi c'est de dire que euh, c'est l'opération Meboulala qui va solutionner les problème, moi, je ne suis pas tout à fait euh, convaincu. Mhm. Mais je crois aux, institutions juridiques, euh, et c'est là je rejoins Omar quand il dit, il dit, il dit que c'est aux acteurs et aux citoyens nigériens de mettre la pression sur ce genre de morceaux pour aller jusqu'au bout. Omar, vous croyez à Boulala euh, Je ne vais pas conclure sur le fait que je crois à Boulala ou je ne crois pas. Tout ce qui est sûr, c'est que le président de la République, quand il était chef de file de l'opposition, il a fait donc toujours de la lutte contre la corruption son cheval de bataille dans ses discours. Lors du premier mandat, on l'a attendu sur ce genre de dossiers, on ne l'a pas vu. Donc même les acteurs qui sont au pouvoir reconnaissent quand même qu'en matière de lutte contre la corruption, rien n'a été fait. Donc, maintenant, il y a un engagement qui a été pris au niveau du deuxième mandat pour rattraper par rapport à cette chose. C'est qu'on est là, on est toujours à l'attente, mais ça veut dire on est toujours à l'attente pour voir est-ce que ça va. Il n'y a pas de résultat. Oui, oui. Pour le moment, on est vraiment sceptique. Mm. Mais on attend de voir donc les autorités et surtout le président de la République à l'œuvre. vous, qu'est-ce que c'est l'opération là, Est-ce que c'est vraiment entré dans sa phase active euh, est-ce qu'il y a une volonté réelle d'assainir S'il y a une volonté réelle d'assainir, euh, c'est la première chose, c'est de se saisir d'abord les dossiers et de suivre les lièvres qui ont été débusqués par les, euh, la presse qui est en train de jouer un véritable rôle de contre-pouvoir dans ce pays essayer de se saisir de ces dossiers et les envoyer au niveau de euh, l'institution judiciaire qui est compétente pour les. je tiens aussi à rebondir un peu sur ce qu'a déjà fait par rapport au, lien entre la LCA et le président de la République. La LCA dépend toujours de l'institution du président de la République, mais euh, le président de la République, il aurait dit dans au cours d'un entretien avec le président de la Halcia qu'il est autorisé désormais quand la Halcia boucle un dossier de l'envoi au procureur. La question qui se pose, c'est du point de vue légal, la Halcia en tant qu'institution a-t-elle l'autorisation, peut-elle rester justice ou peut-elle saisir directement le procureur en quelle qualité Et donc, vous voyez, tout ça, ça reste sur le point de vue verbal, une profession de foi. Donc, encore. Il n'y a, pas de résultat. Oui, encore un autre engagement politique, une promesse politique, comme l'a dit quelqu'un. Euh, les promesses politiques n'engagent que ce qu'ils reçoivent. Dernier aspect avec euh, nos invités, dernier aspect de ce forum avec nos invités Omar Kané du journal Le Hérisson, Diahar Maman du journal L'Indépendant et Murtala Maman euh, du journal La Griffe. Euh, c'est pour dire qu'aux environs de 4 heures hier, qu'un incendie s'est déclaré à Tilaberi, au domicile du commandant régional de la garde nationale, le chef d'escadron Ibrahim al adi Bilan 12 morts, dont le commandant lui-même. Les 11 autres sont des membres de sa famille. Deux autres sont en soins à l'hôpital de Tilaberi. L'incendie a commencé au salon suite à un court-circuit selon les résultats de, la Nigelec le court-circuit est un phénomène très fréquent au Niger. Alors, pour mieux comprendre cette équation, notre reporter Habib Garba a approché l'ingénieur en électricité à la Nigélec, Ali Meirakoumi. Écoutons ses explications. Le court-circuit, c'est le contact entre deux conducteurs de potentiel différent. Ces conducteurs devraient être constamment séparés et isolés. Dès lors qu'ils s'approchent, soit par un vieillissement de l'élément qui les sépare naturellement l'isolant, qui est généralement un plastique non conducteur. Lorsque cet isolant n'exclut entre les deux conducteurs, il y a forcément un court-circuit avec toutes les conséquences qui suivent. Et éviter ces conséquences, c'est éviter le court-circuit. De prime abord, avoir une installation saine. Une installation saine, ça veut dire que le matériel est bien choisi, c'est du matériel qui remplit les conditions des normes d'installation. Après cela, on a des rallonges et d'autres éléments comme branche les prises de courant. Il faut que ces éléments aussi respectent les normes en vigueur parce que sinon, c'est appareils ne remplissent pas les conditions de protection nécessaires et il y aura risque de court-circuit. Voilà le court-circuit. Euh, euh, vous, avez écouté cet élément sonore et vous avez aussi suivi cette actualité d'hier de Tilabiri avec euh, ce tir bilan d'incendie qui est né de court-circuit justement. C'est pas la première fois, hein. c'est pratiquement un phénomène fréquent ici à Niamey comme dans les grandes villes. Mhm. Oui, oui, on ne peut que euh, souhaiter le repos de, des âmes disparues et, dire que euh, s'agissant de, de, en suivant l'ingénieur, euh, il s'est apaisanti sur un certain nombre de facteurs très importants que nous, nous ne prenons pas généralement en compte. quand vous prenez, parlant des circuits, en commençant d'abord par la Nigélec, hein, je cru comprendre que quand le on matériel... circuit, c'est la Nigélec pour, pour Quand on parle de matériel, euh, sur toute la chaîne des installations euh, électriques, euh, en commençant d'abord par le compteur et la, et la suite et le, prolongement. Moi, je, je, je cru comprendre que eux-mêmes, ils doivent mettre un mécanisme pour qu'en cas de court-circuit, automatiquement, le compteur se déclenche et arrête toute l'installation. Ils sautent Justement, il saute et arrête toute l'installation. Et là, ça réduit la conséquence du court-circuit. Mais malheureusement, je sais qu'il y a des compteurs qui ont ce mécanisme-là et il y a d'autres euh, qui peuvent, qui n'ont pas ce mécanisme-là. Et donc, le, le, premier tri de, de, euh, de matériel performance, ça commence avec la Nigélec. Maintenant, il y a ce second aspect qui euh, relève de, euh, de matériel que nous utilisons, les rallonges, les fiches. Et aujourd'hui, c'est un véritable problème, euh, excusez-moi de l'expression, euh, en Afrique de l'Ouest, pas même, pas au Niger, on a l'habitude de dire le matériel chinois, parce que c'est abordable, c'est à bon prix. Et vous voyez, vous pouvez acheter une rallonge aujourd'hui, et d'ici demain soir, ça ne fonctionne plus. Et là, si ça s'arrête à ça, c'est déjà bien. Alors que vous voyez que euh, moi, je me rappelle. Donc, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont, sont, sont, partagées. Mais il faut, il euh, euh, y a la responsabilité de, de la Nigélec et il y a nos responsabilités sur le matériel que nous utilisons. C'est vrai, c'est des, des, moyens, comme on dit, de petite fortune. Et si on n'a pas la possibilité de se procurer le matériel de qualité, euh, on préférerait prendre par exemple une rallonge à, à, à, 1000 francs, 750 francs, que de, de, prendre une rallonge à 15 000 francs. De, qualité. Ça veut dire que les responsabilités sont partagées et c'est à ce niveau qu'il faut agir. D'accord. Omar, quelle est votre réaction Oui, euh, tout d'abord, je tiens peut-être à présenter aussi mes condoléances pour les familles attristées parce que j'ai appris la nouvelle par l'intermédiaire d'un confrère journaliste dans ces l'oncle. Donc, euh, euh, il, faut regretter. Mais comme l'a dit Jafar, les responsabilités sont partagées, mais il y a quelque chose aussi qu'il faut relever, c'est que la Nigélec elle-même en tant que telle, c'est la Nigélec qui a le monopole de la fourniture euh, de, de l'énergie électrique dans ce pays. C'est que la Nigélec ne fait pas parfaitement son travail aussi. C'est vrai, c'est, elle n'a pas le monopole des installations électriques dans les maisons, mais quand même, je me dis que la Nigélec a un devoir à accomplir qu'elle n'accomplit pas. C'est-à-dire, c'est le fait aussi, parce qu'elle part pour faire des relevés euh, des, compteurs, à, travers leurs agents. Je me dis qu'ils doivent aussi avoir une équipe technique qui détecte, parce qu'il y a beaucoup de branchements anarchiques. Hein que ça soit à Niamey ou bien dans les autres régions de l'intérieur. Et c'est parfois ce qui est à l'origine rapidement des incendies et des courses, que ça soit de l'aide. Par exemple, au niveau de l'administration, c'est inadmissible. Je me dis que quand on veut faire des installations au niveau de l'administration publique, normalement, quand même, on doit associer la Nigelec, qui est, qui est aussi une société étatique pour éviter un certain nombre de choses. Donc, c'est pas admissible, par exemple, que pour des, des, bâtiments publics, de l'administration publique, qu'il y ait des branchements énergétiques. Et or, on constate qu'il y a eu plusieurs incendies dits à des causes qui, effectivement, dans les, dans, dans, les administrations publiques. Et j'ai dit, la Nigélique doit sensibiliser aussi. Nous, nous sommes la clientèle, la Nigélique doit sensibiliser. Voilà ce qu'il faut utiliser, voilà ce qu'il faut éviter, voilà ce qui... Ce sont des choses qu'on ne constate pas effectivement dans les prestations de la Nigélique. D'accord. Euh, Moutala, c'est aussi la sensibilisation qu'il faut faire euh, moi, je mise beaucoup plus euh, sur euh, le contrôle des produits électriques, du matériel électrique qui est à 100% carrément des produits qui sont importés. Alors, est-ce qu'il y a des normes qualité qui ont été établies Est-ce qu'il y, y, a un contrôle au niveau de l'entrée de ces produits Et le filtre est-il efficace Parce que s'il a, de la situation actuelle, c'est que le citoyen est laissé à lui-même, ok. donc, euh, on me dit que euh, il y a les produits qui sont en vente sur le marché. Je ne sais pas, euh, Jafar a fait cas des produits bon marché, mais il y a des produits bon marché qui peuvent être techniquement, qui peuvent répondre aux normes. Alors, les citoyens sont abandonnés à leur sort. C'est à eux de se faire leur propre opinion de ce qui peut être bon alors que ça peut ne pas l'être. Alors on a tendance à croire que tous les produits qui sont, ont un prix relativement élevé sont de bonne qualité, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors la faute, la faute se retrouve au niveau du, ministère en charge du commerce parce qu'il y a une autorité qui est censée établir des, normes, des, normes de qualité. Non, ce n'est pas forcément la Nigélec. La Nigélec, elle est censée avec la, production et la commercialisation de l'énergie électrique, mais ce contrôle au niveau de l'importation des produits c'est fait pas au niveau de la Nigélec, mais au niveau de, du gouvernement entre le ministère de l'énergie, mais aussi le ministère du commerce, pour que plus jamais des produits électriques qui peuvent être euh, constitués des dangers, de menaces, de mort sur les citoyens et ne peuvent pas entrer, ne puissent plus entrer dans notre, territoire. D'accord. Merci beaucoup, euh, Maman du journal La Griffe euh, pour d'être là. merci également à Jahar Maman, Jafar Maman, directeur de publication de de L'Indépendant. Et merci aussi à Omar Kane, conseiller à la rédaction du journal Le Hérisson. Merci d'être venu. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce forum. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Merci beaucoup. Bonne soirée.